Un temps passé inaperçu, la scène est devenue virale. Elle remonte au 28 février. Ce jour-là, le Dalai Lama est invité par la fondation M3M, qui se présente comme la branche philanthropique du promoteur immobilier M3M. En plus des membres de cette organisation, des étudiants sont présents. La rencontre se passe à Dharamsala, en Inde, où vit le chef spirituel tibétain. Durant son discours, un petit garçon lui demande s'il peut lui faire un câlin requête acceptée par l'intéressé, qui souhaite en retour un bisou sur la joue de la part du jeune enfant. Il regrette l'incident. Puis, le Dalai Lama lui en fait un sur la bouche, en lui relevant le menton. Il rigole et incline son front contre celui du garçon, avant de sortir sa langue et de se rapprocher à nouveau de ce dernier en lui faisant une demande surprenante. Sus ma langue, l'entend-on ainsi dire dans la vidéo. Devant le tollé, le Dalai Lama a présenté ses excuses au garçons et à sa famille, ainsi qu'à ses nombreux amis à travers le monde, pour le mal que ses paroles ont pu causer. Sa sainteté taquine souvent les gens qu'il rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras. Il regrette l'incident, peut-on également lire dans le communiqué consacré. Article original publié sur bfmtv.com.